TV d'Allen Adjam. Il y a aussi beaucoup Nous on remercier d'avoir choisi saint TV alors bienvenue dans votre émission de mode préférée j'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet pour 10 minutes de mode non-stop comme vous le voyez aujourd'hui Fashion Victim est en plein centre-ville dans un décor très classe et chic comme vous l'avez constaté alors si je vous parle de make-up je vous parle de coiffure je vous parle de pédicure ça fait penser à quoi bien évidemment à un salon de coiffure. Mais personnellement, ce terme serait un euphémisme pour moi. J'opterais plutôt pour un institut de beauté. Si je fi ñëwee nous du leen alors sans plus tarder je leen wax ak bonsoir Blaise. bonsoir comment vous allez. je vais bien Alhamdulillah. comment vous allez. oui très bien. et le boulot ça se passe bien. très bien très bien. alors euh, on vous laisse le temps de de vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. voilà c'est Blaise. Euh, je suis le propriétaire de Blaise Coiffure, situé, situé euh, au nord, île, euh, juste à côté des pâtisseries La Rosa. Je suis un coiffeur. D'accord. Vous faites la coiffure La coiffure, il y a l'esthétique, il y a manucure, pédicure, Tout ce qui est dans la coiffure et l'esthétique, quoi. Voilà, c'est ça. Et aussi, on, a, vend certains produits aussi, quoi. Les parfums de classe aussi. Tout ce qui est cosmétique. Voilà, pas, tout à fait, on n'a pas 100% de cosmétique, mhm. mais tout ce qui concerne notre domaine, c'est ça qui en vend. D'accord. Et comment vous êtes rentré dans le domaine de la coiffure euh, euh, Je peux dire que c'est une passion. voilà, voilà, j'aimais bien, je savais même pas que je voulais être coiffé, mais après mon bac plus ça a dit que j'avais une petit euh, retard dans l'école et je me suis quitté l'école, et euh, je me suis rentré en Côte d'Ivoire et je vois une de mes amies, une, de mes tuteurs qui coiffait, quoi, coiffait les femmes et les hommes. Et je vois vraiment que c'est de là, c'est quelque chose qui me plaisait. Et je vais essayer de lui donner des coups de main, je me travaille le salon. Finalement, je suis troisième femme sénégalaise qui m'a fait venir au Sénégal pour m'inscrire à l'école de coiffure des Et après mon diplôme, je décroche un contrat au Gabon avec la petite fille de Bongo, Al, qui passe à lui. Je travaille trois ans là-bas. Et après, j'ai découvert encore à Santos, à, euh, à Johannesburg. C'est mm. là-bas que j'ai trouvé un contrat de 4 ans, la coiffure. Et voilà. Et ah. après, je me suis trouvé encore à Saint-Louis. J'ai fait presque un an en Belgique, ou oh, un an, un an, six mois en Belgique, et après, je suis revenu. D'accord, très intéressant, très beau parcours. Alors, et, en fait, j'avais une question qui me tortillait depuis lors. Je me disais, comment vous vivez votre... C'est-à-dire le fait que vous soyez un homme, qui, fait de la coiffure. Parce que moi, personnellement, je ne me suis jamais fait coiffer par un, par un homme. Et très souvent, j'entendais votre nom, on me disait, voilà, va chez Blaise, va chez Blaise, il est très fort, il est très fort dans son domaine et tout ça. Surtout ici. Peut-être à Dakar, c'est très répandu. Mais ici, à Saint-Louis, c'est quelque chose, on peut dire, on peut dire qu'il est un peu tabou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le font vraiment. Et comment vous vivez ça <laughs> ici Voilà, c'est une passion. Ça veut dire que euh, je peux dire, euh, c'est pas c'est pas un métier concentré seulement à les femmes. Peut-être à, à l'époque, mais maintenant, partout dans le pays, en Afrique, en Europe, partout, il y a les hommes aussi qui croient bien les femmes. Mhm. C'est quelque chose, une passion, c'est un, une attitude, c'est le côté artistique. Ça veut dire que tu as la créativité, tu as l'esprit qui tourne. Je pense que c'est le domaine mais pas forcément que c'est un métier qui est, là pour les femmes. Et les hommes aussi, pas seulement les hommes, les femmes, de trouver des femmes coiffeuses qui sont très fortes, qui coiffent correctement, qui sont bien, qui, qui ça veut dire qu'ils sont l'amour de leur travail. C'est pas forcément un homme ou une femme, c'est forcément la personne lui-même, tu vois, donc qui, qui est dans le domaine. Est-ce que tu aimes ce que tu fais, est-ce que tu te donnes dans ça, c'est tout. Mais si tu dis seulement c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes, il y a des hommes qui croient plus que les femmes. Mhm. Je ne crois pas parce que j'arrive à faire les stages avec les femmes qui sont vraiment douées dans le domaine. Mhm. Voilà, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont doués, il y a des femmes aussi qui sont douées dans le domaine. Par rapport à ça veut dire que la mentalité des gens ici, pour la En tout cas, personne ne m'a jamais gêné. J'ai des femmes qui viennent, il y a des hommes qui viennent. Chacun, euh, ça veut dire que si tu viens, tu trouves qu'il y a des clients, tu attends je n'ai jamais eu un critique ou quelque chose comme ça. Les choses, euh, voilà, ça, ça, ça, euh, ça pose, ne pose pas un problème ce au mhm. moi, personnellement, d'après ce que j'ai vu, vraiment, mhm. waouh, c'est quelque chose de bien. Vous le faites très bien. Merci beaucoup. je tenais vraiment à vous, à, féliciter, en fait. Est-ce que vous avez suivi une formation voilà, je suivais une formation avec Exoptif à Dakar. D'ailleurs, il était là pour mon anniversaire une fois ici. Et Patrick, il était, c'est un, vrai coach et il est très fort dans le domaine. C'était pas facile, mais vraiment, il faut la persévérance, il faut que tu aimes ce que tu fais. Et après ça, ça veut dire que juste la formation, ça ne te suffit pas. Ça veut dire que d'abord, quand tu fais des stages partout, par rapport au Gabon où je travaille, j'avais un Français qui était dans le salon de coiffure, la petite fille de Bambou, Juslin, qui passe à lui. Il était très fort, je me suis accroché à lui parce qu'il faisait une coupe exceptionnelle. C'est-à-dire, il y a une façon que nous on a appris à l'école, ça c'est le premier. Mais maintenant, quand tu vois avec un professionnel, ça c'est le secondaire. Et maintenant, tu es obligé de prendre le ciseau d'une façon différente par rapport à ce que tu as appris à l'école. Et tu t'accroches à lui, tu t'accroches, tu voulais savoir, tu es curieux, tu lui poses des questions, tu l'emmerdes. Finalement, il s'énerve, mais finalement, il voit finalement que tu aimes ce que tu fais, tu viens apprendre, il te donne le savoir-faire. Et lorsqu'il a fini son contrat, il est retourné à France, il est parti de la petite de il Il fait venir le français pour continuer le couple européen, mais le monsieur a dit, ah, pourquoi Il laisse coupe très bien, c'est pas la peine. À ce temps, j'étais dans un salaire qui sont augmenté et voilà, c'est comme ça que je me suis, j'ai commencé à avoir un plus l'argent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut juste aimer ce que tu fais, il faut L'école, c'est le premier. Il y a beaucoup de personnes qui sont finies l'école de coiffure, mais pas revenir pas parce qu'il n'y a pas mot de travail. C'est vrai qu'on aime l'argent, on veut gagner notre vie avec. Mais d'abord, il faut avoir la, tête créative, il faut avoir la tête qui bouge, il faut, avoir les, il faut, il faut essayer de euh, faire partie profondément dans ton domaine pour réussir dans la vie. Je pense que c'est ça qui est le plus important. L'argent, là, ça va venir automatiquement. Mhm. C'est vrai. Donc, mes chers téléspectateurs, il veut tout simplement vous faire savoir que quand on veut, vraiment on peut. Il suffit juste de vouloir pour pouvoir. Alors, euh, dans chaque domaine, on rencontre des difficultés. Dans, dans le tien, en fait, quel genre de difficultés vous, vous rencontrez ma, ma, seule difficulté ici, c'est les travailleurs. Ça veut dire que c'est vrai qu'on n'a pas la même mentalité, tu vois. Je trouve que, excusez-moi pour le mot, mais je pense que ici les gens sont un peu plus paresseux dans le domaine des le, le, main-d'œuvre, surtout la côté de la coiffure. La coiffure aujourd'hui, c'est pas juste parce que tu vas dans un salon, tu vas être payé. Mais il faut quand même savoir que il faut donner le propriétaire aussi quelque chose qui va, qui tu mérites. Mhm. C'est-à-dire que tu mérites ton, vraiment ton salaire. Souvent, moi, j'arrive à signaler, mes, déclarer mes, mes, mes personnels. J'avais le contrat CDD, j'avais le contrat CDI. Mais souvent, il y a des clients très hypocrites, excusez-moi, qui passent derrière toi pour dire à des, euh, travailleurs, s'il te plaît, blesse l'empêcheur. Ils l'oublient. Il y a des locales à payer. Il y a des patentes à payer. Il y a leur cotisation à e-press, fiscalité et aussi euh, euh, sécurité sociale à payer, même le IPN. Maintenant, la cliente dit que tu es cher, viens de tresser à la maison. Dès qu'ils sont, il va là-bas. Et finalement, comme la cliente, trouve l'autre personne qui tresse le, les lâche Mais je pense qu'il faut qu'il mette dans l'air, mais que la coiffure, c'est une l'art. Mhm. Et il faut, quand tu commences à faire, il faut avoir une dignité. C'est ça qu'on a, repose pose Ça veut dire que tu as, euh, comment on appelle ça, excusez-moi, ça veut dire que euh, comme la personne n'est pas royale avec mhm. toi, il est là avec toi, et il fait son business derrière toi. Ça, c'est pas normal. Ça fait pas marcher le salon. Et finalement, tu es obligé de les libérer après parce que tu n'es pas content de la façon dont ils travaillent. Je pense que c'est la seule difficulté qu'on a ici, c'est les travailleurs on est. Il faut qu'ils sachent eux-mêmes leurs propres valeurs. Il faut qu'ils savent que je suis coiffeur, je suis un artiste. Il faut qu'on me paye pour mon travail. Il faut que je, j'arrive à faire quelque chose, on me paye pour ça. Pas pour te balance le petit 2000, le petit 1000 francs, 2000 francs, et tu dis que tu as de l'argent. Mm-hmm. Non, c'est pas, tu de ça, éduquer tu ne connais pas ton valeur. Moi, je pense que voilà, c'est ça le, plus grave problème mhm. voilà, qu'on a ici. Euh, les travailleurs, mhm. euh, ils, n'arrivent pas vraiment partir profondément dans le, dans métier. Je pense que c'est ça. D'accord. C'est vrai, hein, parce que très souvent, quand j'entends blesse, blesse, blesse, on parle de, de trucs qui sont chers on dit voilà, c'est très cher, c'est de haut de gamme et tout ça. Mais moi, personnellement, moi, quand il y a la qualité, voilà, je suis, je suis prête à payer tout, en fait. C'est ça qui importe. Je, je, pense que ça, tu as parfaitement raison. Je pense que c'est juste par rapport à si tu as une chaussure aujourd'hui qui coûte des Chinois, excusez-moi pour le mot, je ne critique pas les gens qui portent mhm, des Chinois. Mhm. Le chaussure chinois, je dis, qui coûte presque 3000 francs et tu sais que ça ne va même pas te faire deux semaines et se mhm. gâter. Et tu as un bon chaussure que tu as pris qui a en cuir, des Aldo ou quelque chose qui est bon, qui a en qualité de 45 000 francs, qui peut te faire 4 ans. Imagine deux semaines, chaque 000 francs par deux semaines. Euh, euh, ça fait plus, plus, ça voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas riche, je suis très, je suis modéré, je suis beau, mhm. mais je n'ai jamais. Je euh, d'avoir des choses de qualité. Mhm, mhm. Je J'ai jamais de produits de mezzanine, je vends des parfums de classe et je n'ai évité tout ce qui est faux. Parce que ça, ça, te donne une faux image déjà dans ton salon. Quand tu viens chez moi, tu sais que voilà, ce que tu te propose, c'est des choses authentiques. Voilà, la prochaine fois, tu, as confiance en moi. Mais si je te vends des faux trucs, je te vends des, des choses qui ne sont pas vraiment les, bagues, hein. <laughs> ton nom passe à droite, à gauche, ou là-bas c'est un menteur. Mais aujourd'hui, mais si tu laisses arriver à avoir une signature originale à Saint-Louis, c'est ça qui est plus important. Ça, c'est vrai. Comme vous le voyez, c'est tout ce qu'on voulait vous amener aujourd'hui. Nous étions avec M. Blaise. Comme vous le voyez, c'est un homme vraiment qui a su se démarquer du lot et se faire un nom dans le milieu de la mode. Sans plus tarder, nous allons tout simplement lui demander de donner son mot de la fin. Alors, votre mot de la fin Je pense que le, d'abord, je vous encourage, vous, euh, à temps pour euh, Saint-Louis, je suis très contente avec vous parce que quand je vois des jeunes qui se battent à la vie, ça me, ça me fait plaisir. Je suis sur votre émission pays où tu as abonné et vraiment, je vous félicite beaucoup. C'est quelque chose qui fait que qu'il faut que les jeunes d'Afrique aujourd'hui savent faire. Il faut qu'ils savent monter en haut. Il faut qu'ils osent. On ne peut pas ça dire que c'est le bas, il faut chercher un bas. Nous-mêmes, on a des cerveaux. On est capable. Pourquoi pas Vraiment, vous avez fait du bons boulot et je vous conseille à les gens aussi qui sont dans l'autre domaine, pas dans votre, pour oser. Mm-hmm. Essayez d'avoir les têtes créatives. Il faut avoir les têtes qui tournent. Il faut sortir des choses originales. Et puis je pense que vous, en tout cas, vous avez parti très loin. Vous allez voir, les gens vont courir vous après. Mais n'oubliez pas. Hein. D'accord, on ne va pas tout oublier, c'est sûr. <laughs> D'accord. Ah, merci beaucoup et merci pour l'interview. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé votre temps parce que vraiment vous étiez très busy et vous avez pris le temps de nous écouter. On vous remercie et vous dit à la prochaine. Ok, merci beaucoup. Merci. Coucou les amours. voilà interview eu am vraiment riche en émotions Ligue nous allons passer à votre rubrique conseil beauté C'est une rubrique conseil beauté baby voilà, Baby Hair, vous savez déjà comment on le fait. Je ne vais pas faire des tutos pour le faire et tout ça. Comme vous le voyez aujourd'hui, je l'ai déjà fait. Donc, quelques conseils savoir à faire et à ne pas faire avec les baby hair. Comme par exemple, vous voulez maquillager Vous pouvez éviter de faire les baby hair après le make-up. Parce que le fait, que c'est un make-up et tout ça. Il faut le faire avant le make-up. Et pour faire votre bébé hair, il faut utiliser une brosse à dents et le gel. Le gel fixateur. Le gel fixateur, vous devez une problème parce que vous avez le en fait. Ça peut causer du calcium et tout ça donc utiliser le gel d'aloe vera mon, utiliser alors je rek alors n'hésitez surtout pas à vous abonner vous avez été nombreux à vous abonner mais bon quand même télé bi une télé c'est suñu télé la ñun ñoo bokk en fait Abonnez-vous, non, nous moo arrangé et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton like si vous avez aimé ou un like si vous avez détesté même si sax bëgguma bouton en noonu mais aussi laissez vos commentaires s'il vous plaît les fashion Fashion Victime de indi lu bees commentaire yi ngeen di si prochain numéro man yooyu noonu moom laay alors qu'on parle de, soins capillaires ou bien de make-up ou bien de your hair ou tout ce qui est à la mode, posez vos questions et dans le prochain épisode, Inch'Allah, je n'hésiterai surtout pas à vous répondre. D'ici là, restez belle et restez coquette, restez fashion victime.